forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 18h16 minutes. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birlingaouré, Chirozirine, Magaria, Mainenswara, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. L'essentiel de ce forum est consacré à la polémique autour de la nomination du nouveau directeur général des douanes. Un militaire à la tête de la douane, le syndicat national des agents de douane ne gobe pas cela et le rejette catégoriquement. Le Sénat estime que la nomination n'est pas conforme au statut du corps de la douane Faux rétorque le ministre des Finances pour qui le gouvernement peut nommer des douaniers comme des non-douaniers à la tête de la Direction générale des douanes. Au-delà, Hasmi Massaoud promet de restaurer l'autorité de l'État à la douane et casser toute organisation de captation des recettes de l'État. Vous suivrez le ministre des Finances, Hasmi Massaoudou, puis le syndicat national des agents de douane qui réplique et estime une fois de plus que leur statut a été violé à cause de cette nomination. Le colonel Moumouni Bana réaffirme que le poste du directeur général de douane doit exclusivement revenir au cadre de la douane. En dehors de ces deux protagonistes, vous allez suivre d'autres analyses sur cette nomination des militaires à la tête de la douane, sur l'affirisme qui y règne à en croire le ministre des Finances et sur la mobilisation des récits financières de façon générale. Analyse de Souli Abdoulaye, il est économiste de formation. Autre analyse, celle de Muslim Malam Sita, président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Oui, la polémique continue autour de la nomination du nouveau patron de la douane. Après le point de presse du syndicat national des agents de douane, le ministre des Finances, Asmi Moussaoud, a de son côté repliqué à, travers euh, l'animation d'un point de presse euh, hier soir. Pour Assimi Massaoudou, le gouvernement a le pouvoir de nommer aux emplois supérieurs de l'État toute personnalité dont il estime que le profil cadre avec la mission et qui serait capable d'exécuter les tâches. Il précise par ailleurs que le statut autonome des douanes n'est pas violé. Les explications de Hasmi Massaoudou, ministre des Finances. Nous aurions souhaité ne pas avoir à faire cette, ce point de presse mais compte tenu de certaines interventions, je me sens dans l'obligation de donner des explications. J'ai écouté, vous avez écouté, on a tous écouté ensemble le communiqué du syndicat national des douanes. Il contestait donc cette nomination de directeur général des douanes et en même temps il rejetait, ils ironisaient sur les réformes qu'ils rejetaient. Leur principal argument, c'était de dire que le statut autonome du cadre des douanes impose que ce soit un douanier qui soit directeur général des douanes. C'est ça l'argument massu qu'ils ont sorti. Et moi, je veux vous lire un extrait de la loi 2013-31 du 4 juillet 2013 portant statut autonome du personnel du cadre des douanes. Voilà ce que dit cette loi en son article 164. Les inspecteurs principaux des douanes, bien sûr, organise, anime, oriente et contrôle l'action des services des douanes. Et on ajoute, ils ont vocation à occuper les emplois suivants. On les cite, dont directeur général adjoint et directeur général des douanes. On dit, ils ont vocation à occuper ces emplois. On ne dit pas que ces emplois sont obligatoirement occupés par des inspecteurs principaux des douanes. Je crois que c'est très clair. Hein. vous savez, le droit est d'interprétation stricte en la matière. Vocation, avoir vocation à, ça veut dire qu'ils peuvent être, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent obligatoirement être. C'est ça que ça veut dire. Ils ont vocation à être. Et fort de cela, le gouvernement a eu l'habitude de nommer des douaniers ou des non-douaniers. Et tous les gouvernements précédents ont nommé des douaniers comme des non-douaniers, en fonction des circonstances. Le précédent qui vient de quitter n'était pas un douanier puisqu'il est à la retraite. Ce qu'il suggère ensuite, deuxièmement, c'est que le poste du directeur général des douanes, il faut le dépolitiser, comme si c'était un poste technique, disent-ils, et qui ne doit pas être politisé. Je rappelle qu'ils ont réagi suite au départ du directeur général qui était là jusqu'au Conseil des ministres, qui lui est membre du bureau politique du PNDS. Et on l'a remplacé par quelqu'un, un militaire, intendant militaire, qui a une formation économique et financière, qui a été directeur de l'intendance militaire pendant des régimes totalement différents, sous Kunche, ensuite sous Tanja, etc. Inspecteur général des armées, inspecteur d'État, et actuellement son dernier poste, c'est chef de l'inspection générale d'État. Une longue expérience, une formation économique, une formation financière, même étant général, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un de techniquement bien posé. Donc on remplace un homme politique par un homme technique, ce général, personne ne lui connaît d'affinité, d'abord de par son statut, il ne fait pas de politique. Personne ne lui connaît d'affinité avec quelque homme politique que ce soit. C'est pour ça qu'il a servi plusieurs régimes en tant que militaire qui a accompli les missions qu'on lui donne. On remplace un membre du bureau politique du PNDS par un cadre militaire et c'est le tollé. Allez-y comprendre. Nous sommes dans une situation très particulière. Cette situation particulière appelle des mesures particulières. Je rappelle un peu ce qui se passe. Dans la sous-région, la tendance aujourd'hui, c'est qu'en face pour ces postes-là devenus sensibles et importants pour nos États, direction générale e des impôts, directeur général des douanes, et les trésors, ont, de plus en plus, les États de la sous-région font appel à candidature internationale. C'est ainsi que le pays le plus performant en rapport avec son PIB, c'est le Togo. Là-bas, ils ont créé un poste, un office, ils ont appelé ça, des recettes du Togo. C'est-à-dire qu'il comprend à la fois la douane et les impôts. Et ils ont fait un appel à candidature internationale. Et c'est un Rwandais qui, aujourd'hui, depuis quelques années, dirige cet office-là. Nous, nous avons pris un Nigérien. Nous n'en sommes pas encore là, mais c'est pour vous dire la tendance. Et ce Rwandais a eu des résultats extraordinaires. Le Togo est le meilleur, le plus performant aujourd'hui dans la sous-région, dont l'Office des recettes, cest douane et impôts, mais combiné, est dirigé par un Rwandais, je ne pense pas que les Togolais s'en portent plus mal. Je vous donne un tableau, un certain nombre de chiffres. Il y a ce qu'on appelle les, prélèvements communautaires au niveau de l'UEMOA, des pays de l'UEMOA. C'est 1% des recettes douanières des pays. Chaque pays paye, sort 1% de ses recettes douanières pour financer le fonctionnement de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, ça vous donne ce que c'est que les recettes douanières par pays. Je vous donne les comparaisons. Pays par pays, en 2016, le prélèvement communautaire, c'est-à-dire le 1% des recettes douanières par pays. Bénin, 2016, hein, Bénin, 9 milliards 500 millions. Burkina Faso, 10 milliards 500 millions. Côte d'Ivoire, 36 milliards 400 millions. Guinée-Bissau, 400 millions. Mali, 10 milliards 700 millions. Niger, 5 milliards 100 millions. Sénégal, 18 milliards 900 millions. Togo, 6 milliards 400 millions. C'est-à-dire qu'à part la Guinée-Bissau, qui est un tout petit pays, qui a d'autres types de problèmes, nous sommes les derniers et de loin. C'est-à-dire que le Bénin fait deux fois le Niger, le Burkina Faso fait deux fois le le Niger en termes de recettes douanières. La Côte d'Ivoire fait 7 fois, plus de 7 fois le Niger. Le Mali fait 2 fois le Niger. Le Sénégal fait 4 fois le Niger. Et le Togo fait une fois et demi le Niger. Voilà la situation. On devait en avoir honte. On devait avoir un sursaut par rapport à ça. Nous sommes là avec des tas de prétentions. Mais voilà où on en est. Et la situation ne fait que se dégrader. Comment voulez-vous que nous ne considérions pas que c'est une situation d'urgence, qu'il y a là un état d'urgence économique. Et depuis que je suis là, je n'ai même pas fait encore un mois, ce que j'apprends de la douane, de partout au Niger, de tous les coins du Niger, de, d'est, ouest, du centre, de partout, les gens me disent que les douaniers travaillent pour eux-mêmes. Quand les recettes arrivent, ils prennent 7 pour eux, 3 pour l'État, quand il y a 10 sur 10. Comment voulez-vous qu'on continue comme ça Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et ça, les commerçants même le disent. Ils, veulent bien payer, mais ils veulent payer au moins à l'État, ils ne veulent pas payer aux individus. Mais quand ils prennent tout, ils prennent 7, ils nous laissent 3. Comment voulez-vous que ça fonctionne Comment voulez-vous que nous acceptions cela Et effectivement, ce syndicat des douanes, depuis un certain nombre d'années, depuis qu'il est créé, c'est pas, c'est un syndicat qui cogère puisque même les directeurs généraux douaniers, les anciens directeurs généraux, les anciens secrétaires généraux, tout le monde fait partie de ce syndicat-là. C'est une connexion. Qui c'est euh, leur, partenaire, puisque même le directeur général en fait partie Alors, qui est le partenaire du syndicat Ils n'en ont pas. C'est essentiellement une organisation pour défendre des intérêts particuliers et soustraire la douane à l'autorité de l'État. Voilà, vous venez de suivre le ministre des Finances, moment, Saoud, répondant au syndicat national des agents de douane qui estime que, euh, qui, qui, refuse la nomination euh, des militaires à la tête de la douane. Ce matin, le syndicat national des agents de douane a un autre point de presse pour répliquer que euh, cette nomination est illégale et ne correspond pas au statut du corps de la douane. Je vous propose de suivre Moumouni Bana, le secrétaire général du Sénat, au micro de Koumama Dantani nous estimons qu'il s'agit bel et bien de la violation de la loi qui détermine la classification des emplois supérieurs de l'État et qui fixe les conditions de nomination de leurs titulaires. Il s'agit notamment de la loi 2011-21 du 8 août 2011. C'est cette loi qui détermine la classification des emplois supérieurs de l'État et qui fixe les conditions de nomination des responsables au niveau de ces postes. Cette loi détermine ou définit deux types d'emplois. Il y a les emplois à caractère politique il y a également les emplois supérieurs à caractère technique. Ce qui nous intéresse au niveau de cette loi, il s'agit du chapitre 3, précisément l'article 5, qui dit, je vais citer, les emplois à caractère technique sont ceux dont le choix et la nomination des titulaires repose sur des critères de compétence et ou de performance et de profil préalablement définis. L'autorité investie du pouvoir de proposition et ou de nomination est également liée par les dispositions statutaires régissant les différents cadres du corps des agents publics. Depuis 2005, pour revenir donc à l'historique de notre cadre, l'administration des douanes a ce qu'on appelle un statut autonome. Ce statut a fait l'objet d'un premier amendement en 2013 et le deuxième amendement de ce statut a été fait en 2016, notamment par la loi 2016 numéro 13 du 26 mai 2016. Pour vous dire que pour le cas de l'espèce, il s'agit bel et bien de la violation de la loi parce que nous, au niveau de la douane, nous avons un statut autonome. Et s'il y a des nominations à faire, ces nominations doivent se conformer strictement aux dispositions de la loi. À partir du point de presse animé par le ministre, il avait évoqué l'article 164 du statut autonome. L'article 164 précise que les inspecteurs principaux organisent, animent, orientent et contrôlent l'action des services douaniers. Ils ont vocation à occuper les emplois suivants. Il y a nécessité à ce niveau de précision Il y a bel et bien une différence entre avoir vocation à quelque chose et avoir le profil pour faire la chose. Moi, je suis inspecteur principal de la gamme de postes prévus à cet effet. J'ai la vocation d'être directeur général des douanes. Mais au stade actuel des lois et règlements en vigueur au Niger, je n'ai pas encore le profil pour occuper ce poste. L'article 81 de la loi du statut autonome renvoie le plan de carrière des agents du cadre des douanes à l'annexe numéro 5. Au niveau de l'annexe numéro 5 qui est annexée à la loi, pour dire que l'annexe et la loi en fait partie intégrante. En ce qui concerne la partie réservée aux emplois des inspecteurs principaux, il est écrit clairement ici que pour être directeur général adjoint ou directeur général, il faut un minimum de 10 ans. C'est écrit noir sur blanc dans notre statut autonome du cadre des douanes. Donc nous notons qu'à ce niveau, le ministre n'a fait qu'une interprétation partielle des dispositions de la loi. Il parle de vocation, nous, on parle de profil. C'est bien beau, avec les éloges, j'ai permis de faire sur euh, le cadre supérieur de l'État. Il avait proposé pour nomination à la tête de notre corporation. Nous sommes très contents de savoir que de telles compétences existent au Niger. Mais nous, nous avons préféré que ces compétences peuvent être valables ailleurs, ailleurs, là où les lois et les règlements de la République les permettent. Le cas de figure au niveau du cadre des douanes, la loi est claire, elle est précise, elle est concise. C'est un poste réservé exclusivement pour les inspecteurs principaux des douanes. Le titre d'inspecteur principal des douanes, c'est une nomination. Quelqu'un qui n'est pas du cadre des douanes ne peut jamais avoir ce titre. Il faut non seulement avoir le titre d'inspecteur principal, il faut avoir également le profil. C'est quoi le profil Le critère au moins d'ancienneté qu'il faut remplir. 10 années d'expérience dans le corps des inspecteurs principaux. Pour vous dire que par rapport à cette question de la violation, il y a deux lois que nous avons revendiquées qui ont été violées. La loi de 2011 et le statut autonome du personnel du cadre des droits. Il y a également à retenir également les conséquences, les conséquences des dispositions de cette loi-là qui ont été violées. Nous retenons simplement qu'à partir de la violation de cette loi, le ministre expose notre corporation. Le ministre a créé les conditions pour entacher la cohésion entre forces de défense et de sécurité, puisque la loi a voulu que, au niveau que la gestion de la carrière des cadres soit faite au niveau de chaque corps en tenant compte de la loi qui régit ce cadre. C'est pour cette raison que vous ne verrez jamais un agent des eaux et forêts à la tête de la police, vous ne verrez jamais un policier à la tête de la gendarmerie. Et nous, au niveau de la douane, on ne pourra en aucun cas accepter à ce qu'un autre corps vienne nous diriger. La loi est claire là-dessus. Il s'agit ici d'une loi de la République que nous défendons. Nous n'avons pas pour prétention de nous attaquer à qui que ce soit. Nous demandons simplement à ce que cette disposition de la loi qui a été violée soit rétablie. C'est tout. Nous, nous sommes un syndicat très responsable. Si vous nous voyez sortir, que on nous a touché. Et par rapport à cette question, nous attendons utiliser tous les moyens de droit en vigueur au niveau de la République du Niger pour établir cette disposition qui a été violée. La deuxième partie de notre point de presse traitera également des propos tenus par le ministre des Finances. Lors de son point de presse, le ministre parle d'un prélèvement pour le compte de l'UMOA. Nous rappelons que prélèvement pour le compte de l'UMOA ne s'appelle pas PC. Le prélèvement pour le compte de l'UMOA s'appelle prélèvement comme communautaire de solidarité, c'est IMOA. et qu'il n'y a aucun lien entre le niveau des recettes recouvrées par les agents des douanes et ce prélèvement. Pour dire que ce prélèvement-là n'est pas fait sur le niveau des recettes douanières, ce prélèvement est fait sur la valeur en douane des marchandises importées sur des produits tiers de l'espace communautaire. Donc il y a bien une nuance. Le deuxième élément, c'est que comparaison n'est pas raison. Le ministre s'est permis également, pour dénigrer notre corporation, de se permettre de comparer les recettes recouvrées par l'administration des douanes avec les recettes recouvrées par les autres douanes. Pour vous dire que nous sommes certes des pays de l'espace communautaire, mais chaque pays a sa réalité. Nous, nous sommes une administration des douanes entre autres missions. Nous avons pour tâche ou pour mission de percevoir des droits à l'importation ou à l'exportation des marchandises. Donc, à l'entrée des marchandises sur notre territoire ou à la sortie de ces marchandises-là notre territoire, de notre territoire. La question de la mobilisation des recettes fiscales n'est pas liée aux agents des droits. Cette question est tributaire à la structure économique d'un pays. Chaque pays a sa réalité. Il n'y a pas lieu donc de comparer les pays à ce niveau. On va vous donner quelques éléments d'information pour vous permettre en tout cas d'être suffisamment édifié. Comme je l'ai souligné, nous nous percevons des droits à l'import ou à l'exportation. Je voudrais souligner, par exemple, pour le cas des pays membres de l'UMOA, 80% en ce qui concerne les importations sur notre territoire proviennent des pays membres de l'UMOA. Le Niger s'est engagé dans un processus d'intégration sous-régionale et cela aussi a des conséquences. C'est ainsi que pour les pays membres de l'UMOA, en tout cas, il y a certains droits qui ne sont pas perçus et c'est ce qu'on appelle les droits de porte il n'y a que les droits intérieurs qui sont perçus sur ces produits. Pour vous dire que même à ce niveau, il y a une situation de baisse de recettes qui est constatée. Voilà, c'était là la réponse du syndicat national des agents de douane au propos du ministre des Finances sur la nomination des militaires à la tête de l'administration douanière. Le SNAD estime que le poste de directeur général doit exclusivement revenir au cadre de la douane. Alors, quelle analyse faut-il faire de ce ping-pong entre le ministre des Finances et le syndicat national des agents de douane Qu'en est-il de l'affairisme dont parle le ministre Comment mobiliser les recettes financières L'analyse, je vous propose de suivre l'analyse de Soli Abdoulaye, il est économiste. Nous sommes dans un pays de droit, que ce soit euh, le syndicat SNAD de, douane ou le, le, ministre, en tout cas, celui qui se sent lésé, il a des voies de recours pour amener l'affaire donc devant les juridictions. Et c'est là-bas où les spécialistes de droit peuvent interpréter et lire le droit et puis maintenant euh, trancher par rapport à telle ou telle parti. Euh, partie. Quand on regarde la situation, la question de fond en fait, c'est la mobilisation des recettes, des recettes douanières dans le cas qui nous concerne. Pour le ministre, la douane ne travaille pas et entre guillemets, elle se sert plus que l'État. Est-ce la réalité Bon, réalité ou pas réalité, ce qui est évident, nous avons des problèmes économiques. Un des éléments sur lesquels l'État du Niger compte, c'est la mobilisation des recettes internes, dont donc les recettes douanières, parce qu'il y a plusieurs types de recettes internes. Mais la, la plus grande partie est versée par la douane. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des actions du gouvernement en direction de la douane. À tort ou à raison, avant même ce régime, il y a eu beaucoup de Nigériens qui ont dit que les douaniers s'enrichissent. Les douaniers ne travaillent pas pour le compte de l'État, mais pour leur compte, ainsi de suite. Donc des récriminations que des Nigériens ont portées à l'endroit des douaniers. Ce qui est évident, le gouvernement il il est maître de sa politique économique, il est maître de sa politique des de, finances. Donc c'est lui qui sait quelles sont les voies qu'il doit emprunter pour que cette politique soit réalisée, pour que ses objectifs soient atteints. Il faut le reconnaître. Il y a eu beaucoup d'affaires au niveau de la douane et des affaires qui concernent aussi bien le sommet au niveau de cette, euh, euh, ce corps-là que ceux qui sont en bas. Donc, pensant que peut-être, en nommant quelqu'un qui n'a rien à voir avec la douane, il a les coudées franches pour mener à bien cette politique que le gouvernement entend donc faire pour la mobilisation des ressources internes. Tout à fait logique. Pour revenir à la mobilisation des ressources, hein, le ministre a été très clair, il a donné un peu l'exemple du Niger par rapport aux autres pays de la sous-région, où le Niger est dernier en matière de mobilisation des recettes douanières. Et en termes de se servir de l'État, les douaniers, si nous prenons 10%, se servent de, euh, s'emparent de 7% et l'État 3%. Mhm. Ce sont des arguments très forts. Vous qui êtes dans le domaine de l'économie, comment, comment vous percevez ça Bon, et, c'est que le ministre. est-ce que c'est une réalité Bon, ce qu'il a dit, c'est une réalité. Et, en termes de recettes douanières, tous ces pays dont la cité, donc les sept pays de, de, de à part euh, la, Guinée-Bissau, ces sept pays de l'UOMOA nous dépassent en termes de, recettes douanières. Mais les recettes douanières, ce n'est pas uniquement euh, euh, les, fausses manœuvres qu'on fait qui font les recettes douanières ou qui, font que les recettes douanières soient à un niveau élevé ou à un niveau moins élevé. Non, c'est tout un ensemble de choses parce que la première chose, d'abord, c'est l'activité économique du pays. Vous comprenez Pour qu'il y ait recettes douanières, il faut qu'il y ait des commerçants qui vont importer quelque chose. Si les commerçants n'importent pas, vous ne pouvez pas avoir des recettes douanières. Donc, on peut justifier cela. Quand vous prenez le Sénégal, vous prenez le Burkina, vous prenez la Côte d'Ivoire, ils ont une activité plus importante économiquement parlant que nous le nombre de, de, containers et autres marchandises qui, rentrent dans ces pays, c'est incomparable au Niger. Vous comprenez Donc, ça, ça peut être une raison, n'est-ce pas, qui fait que aujourd'hui il y a une différence de recettes entre ces pays dont le ministre a cité et nous. Maintenant, la deuxième chose, effectivement, c'est l'affairisme qui est autour des, des, des douanements qu'on fait. Est-ce que vous comprenez si effectivement euh, euh, euh, les, gens, les commerçants importent et qu'il y a un affairisme qui, est là autour du dédouanement, mais naturellement, l'État va se sentir grigé. C'est-à-dire, les commerçants vont se retrouver dans l'affaire, les, douaniers vont se retrouver, les transitaires vont se retrouver, et en fin de compte, le dindon des farces, c'est l'État du Niger. Et c'est ça la réalité aujourd'hui Il y a tout cela il y, a ce problème d'abord. Il y, a cette connivence entre les douaniers, les commerçants et les, transitaires. Ça, c'est une évidence. Il y a cette connivence. N'est-ce pas Alors, et il y a aussi la morosité économique. Aujourd'hui, l'importation qu'on fait, les commerçants qui importent, ils n'importent pas comme avant. Vous comprenez Avant cette affaire du directeur général de la douane, vous savez très bien qu'il y a eu l'affaire de, de Bolloré qui est venu, qui avait stoppé net une grande partie de l'importation des, des Nigériens. Certains même, quand ils ont importé, au lieu de euh, euh, euh, venir amener la, marchandise au Niger, ils l'ont dévié pour aller dans les pays frontaliers du Niger et vendre les marchandises. Donc ça, ça peut être une raison ou une des raisons qui fait que notre mobilisation des ressources internes peut être affectée. Donc ce n'est pas uniquement vraiment les affaires qui se font entre les douaniers et autres, mais il y a beaucoup de choses. Euh, La douane est-elle aussi pourrie que les autres corporations Mais euh, quelles corporations Vous parlez de quelles corporations Les autres régies financières, par exemple. Ben, c'est-à-dire, vous savez, partout où il y a, c'est universel, partout où il y a de l'argent qui circule, c'est normal qu'il y ait des brebis galeuses. Parce que c'est des lieux où on s'enrichit. C'est très clair aujourd'hui au Niger, en Côte d'Ivoire, n'importe où, quand vous prenez un douanier, il ne vit pas comme les autres euh, euh, euh, citoyens du pays. Quel que soit son niveau, qu'il soit un haut gradé ou qu'il soit un préposé, quand vous prenez un douanier, même pas le douanier, ceux qui travaillent avec eux, c'est-à-dire s'il y a une, auxiliaire, un auxiliaire qui travaille au niveau de la douane, quand vous, vous prenez ce, monsieur, vous allez voir son train de vie est différent du train de vie des autres euh, euh, euh, citoyens. Mais quand, vous prenez les, chiffres, les chiffres du ministre, c'est quand même effarant. C'est lui qui l'a dit. 10% aujourd'hui, quand vous lui demandez lui-même de vous montrer, à l'appui, que quand on fait un dilo, les 7 vont aux douaniers et les trois vont euh, euh, au, Niger, euh, à l'État du Niger. Par exemple, si vous prenez une, une somme de 10 millions, si on caricature, on prend une somme de 10 millions, donc pour lui, le ministre, les 7 millions vont dans les poches des douaniers, les 3 millions vont dans les poches de, de l'État. Mais ce n'est pas évident parce qu'il faut qu'il démontre cela. Mais c'est des, rumeurs, comme il avait dit, qu'on l'appelle partout pour lui dire que les douaniers sont ceci, les douaniers sont cela, de partout. Il a, a dit de l'ouest, à l'ouest, au centre, de partout au Niger, on l'appelle pour lui dire que les douaniers sont euh, euh, euh, en train de manger l'argent du Niger. Donc ça, c'est un chiffre qu'il a donné comme ça à la volée. Mais c'est une réalité quand même. La réalité, c'est qu'il y a un problème d'affairisme au niveau de la douane. Est-ce que vous comprenez ça, ne vous en euh, cachez pas la face. C'est une réalité. Il y a un affairisme au niveau de la douane. La douane s'enrichit sur le dos de l'État du Niger. À quel niveau, on ne sait pas. C'est ça la réalité. Le ministre des Finances a promis de restaurer l'autorité de l'État. Comment il va le faire C'est son travail. Je ne sais pas comment il va le faire, mais c'est son travail. On sait que du point de vue de certaines euh, euh, méthode, de certains comportements, il est capable d'agir pour mettre fin à un certain nombre de pratiques. C'est pour cela qu'il a été nommé à euh, ce poste-là. Vous allez voir, je suis convaincu, je lui prête vraiment une bonne intention, je suis certain qu'il va mettre fin à beaucoup de pratiques. Et dès qu'on met fin à beaucoup de pratiques, ça va avoir des répercussions positives sur notre économie. Parce que les pratiques, on laissé. sait. Quand vous partez au niveau de la, du trésor, par exemple, c'est un affairisme qui est là il y a même des, certaines personnalités qui sont passées à, ces, postes-là, on les appelle 10% pour que au, vous trésor. trésor. Pour que vous ayez votre argent, il faut que vous acceptiez de céder 10% du montant de votre facture. C'est en ce moment qu'on peut vous donner de l'argent. Ça a existé au Niger et ça continue d'exister. Tout celui qui passe dans ce genre de, système, en tout cas, à la fin, c'est un monsieur, c'est un richissime que vous avez. Donc, ça veut dire qu'il y a des affaires. Si on met fin à ces affaires, ça veut dire qu'on revient à l'orthodoxie, on revient à... Parce que toutes ces, structures de l'État, ces services ont des procédures, ont des textes qui les régissent. Mais les gens, en fin de compte, finissent par mettre les textes de côté pour faire autre chose. Donc c'est les arrange. Maintenant, c'est les textes qu'il faut respecter et les procédures. Celui qui doit être payé, il doit, on doit le mettre dans ses droits il n'a pas besoin de donner X ou Y. Mais c'est un système qui est là, hein, qui ne date pas d'aujourd'hui. Comment il peut. Euh, c'est facile de s'en sortir, de respecter les textes, puisque c'est les mêmes animateurs quand même. Comment ça peut changer Il y a, un adage, euh, je ne sais pas si vous pouvez me le prêter, où on dit la nécessité crée le besoin. Durant tout ce temps-là, on n'a pas euh, réagi parce que le Niger peut-être ne se trouve pas à la croisée des chemins, ne se trouve pas dans des situations de difficultés économiques où aujourd'hui, si on ne fait pas attention, même les salaires, dans un bref euh, à venir ne seront pas payés. Donc, par rapport à ça, les, dirigeants sont obligés de prendre un certain nombre de mesures, même si ce n'est pas euh, euh, les seuls. Parce que moi, je pense que, en tant que Nigérien, je suis entièrement d'accord avec cette option de casser tout ce qu'il y a comme système, en tout cas pourri, qui fait que notre pays n'avance pas. Mais aussi, les gouvernants ils ne sont pas exempts de reproches. Vous comprenez Aujourd'hui, je serais très ravi de voir que le, gouvernement de Mohamed Issou a été diminué de moitié pour, pour montrer le souci que les gens ont de, la situation financière catastrophique du Niger. Je serais euh, fier de voir que les ministères ont renoncé à un certain nombre d'avantages. L'Assemblée nationale, toutes les structures là qui sont en train d'être des, des, structures budgétaires de l'État, dans une situation de gravité, on prend des décisions pour arrêter un certain nombre de choses qui, qui, montrent un train de vie insolent de l'État. Et c'est comme ça que vous pouvez amener les enfants du pays les, enfants de la nation à accepter le principe de la ceinture. Aujourd'hui, si euh, euh, on a diminué la taille du gouvernement, on a diminué le nombre des de conseillers, on a fait ceci, on a fait cela, mais il n'y a pas un Nigérien qui ne peut pas dire qu'il est d'accord à, à ce qu'on fasse. Mais vous ne pouvez pas demander aux autres de faire des efforts pendant que vous, vous vivez dans l'opulence. Ça devient de l'injustice. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Vous venez de suivre l'économiste Soli Abdoulaye sur le ping-pong entre le ministre des Finances et le syndicat national des agents de douane sur la nomination d'un militaire à la, tête des douanes et de façon générale sur la mobilisation des recettes douanières. Une autre analyse que je vous propose, celle de Muslim Malam Sita, président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance. Je vous propose de suivre son analyse. Par rapport à cet aspect, nous ne pouvons pas dire qui a raison ou qui a tort, parce que d'abord, euh, en tant que syndicat, il faut simplement euh, reconnaître qu'ils ont le devoir et la vocation de défendre les intérêts matériels et moraux de leur corporation. Et de ce point de vue, c'est de bonne guerre que euh, les syndicalistes réagissent par rapport quand même à une nomination d'une personnalité et euh, qui ne relève pas de leur corporation. Ça, c'est un aspect. Mais de l'autre côté, ce qu'il faut aussi relever par rapport à l'État tout agent de l'État dont on estime disposant des qualités des compétences avérées doit quand même jouir de ses privilèges pour pouvoir mettre en exergue et en œuvre ses compétences au service de la nation et de l'État. Donc pour ce faire, je pense que les douaniers doivent avoir raison gardée pour se dire simplement que c'est un agent de l'État comme eux et que le plus important, c'est comment ensemble, la main dans la main, collaborer pour atteindre les objectifs. Parce que dans tous les cas, il y va de l'image et de la crédibilité de la douane nigérienne. En matière de mobilisation de recettes, hein, le ministre des Finances n'a pas été tendre avec euh, le corps de douane. Il estime que euh, la douane travaille pour lui-même. Est-ce que c'est vrai Bon, nous pensons que c'est un avis du ministre des Finances qu'il a émis. Toutefois, nous pensons aussi que la question de la problématique même des recettes internes ou des ressources internes au Niger, en tout cas, doit se poser avec acuité parce que, de toute évidence, les ressources internes sont la garantie de notre souveraineté nationale parce que chaque nation doit se donner les moyens à travers ses propres richesses de subvenir quand même aux besoins de souveraineté. Parce que, vous le savez très bien, chaque fois qu'une nation court à l'assistance ou à la recherche de l'aide ou même des emprunts, il faut que des conditionnalités souvent les plus atroces soient imposées à l'État pour pouvoir y parvenir. Alors que même les emprunts que l'État souvent arrive à décrocher sur les marchés financiers ou ailleurs, en réalité ne sont garantis que par le niveau de mobilisation des ressources internes. En conséquence, nous estimons que par rapport à cette problématique, nous, en tant qu'acteurs euh, de développement de la vie de notre nation, dans la vision de notre association, nous avons relevé trois aspects fondamentaux. Euh, ces trois aspects sont les suivants. Le premier, c'est le rehaussement du niveau du civil fiscal des citoyens, ce qui suppose en premier lieu l'intériorisation de la culture du civil fiscal par nos gouvernants d'abord. Je veux dire le président de la République, les députés, les membres du gouvernement, les responsables des institutions et autres hautes personnalités qui sont les bénéficiaires directs des avantages et privilèges du fruit d'une forte mobilisation des ressources internes. Ensuite, l'appropriation de cette culture du fiscal de nos gouvernants par les autres citoyens, dont les démarcheurs de gros marchés publics de l'État. Et enfin, le respect de l'équité et de la justice fiscale par les agents en charge de la mobilisation des ressources. Le deuxième aspect de la mobilisation, là, c'est l'engagement et l'accompagnement politique des plus, des plus hautes autorités. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire, mais il faut afficher une volonté politique réelle, sans démagogie, sans hypocrisie et sans parti pris, c'est-à-dire en s'abstenant de tout interventionnisme dans le traitement ou la gestion des, dossiers fiscaux de tous ordres et aussi même dans les nominations parce que nous on a participé à beaucoup de, projets d'études dans le cadre du service fiscal mais lorsqu'il y a trop d'interventionnisme lorsque les agents de l'État dans le cadre de leur travail souvent sont contraints d'aller à l'encontre de certaines procédures parce qu'il y a de l'interventionnisme politique vous conviendrez avec nous que ce n'est pas de nature à motiver aussi les agents de l'État. Mais par rapport quand même à l'engagement du ministre des Finances, nous pensons que c'est aussi une vision nouvelle. Pour revenir surtout euh, sur, le corps de la douane, puisque c'est ça l'actualité, est-ce que vous pensez qu'il y a l'affairisme gangrène le corps de la douane À ce niveau-là, hein, nous ne pouvons pas dire, affirmer, parce que nous ne détenons pas des preuves euh, irréfutables par rapport à ça, mais nous pouvons simplement euh, nous aligner sur, comme on dit, la rumeur publique par rapport quand même au train de vie que les uns et les autres observent en tant qu'agents de l'État. Et je pense que euh, c'est quand même des éléments attrayants qui font en sorte que la suspicion mais toute autre, en tout cas, euh, si tu veux, appréciation que les gens peuvent apporter par rapport à ça. Ça, il faut quand même le relever avec honnêteté parce que vous conviendrez quand même avec nous que c'est un fait qui est là. Les gens, ah, on est arrivé à un moment où on pense que quand on est du corps de la douane, quand même, c'est le domaine le plus privilégié pour un agent de l'État d'être plus riche. Or, nous, ce que nous disons aux gens, c'est de voir que dans la construction d'une nation, il faut que les gens s'appuient sur des valeurs. La richesse ne doit pas être un facteur de compétition entre les gens. Donc, nous pensons qu'il faut aussi que l'État à travers ses premiers responsables et maintenant, comme vous dites, le corps de la douane, que l'ensemble de, de ces acteurs-là arrivent à se regarder en face, se dire les quatre vérités et en tout cas, si les gens ont le souci du développement de la nation, la main dans la main, qu'il y ait une parfaite collaboration. On va revenir juste sur euh, ce chiffre que le ministre a donné hein, sur euh, l'affairisme de, la douane ou le fait que le corps de la douane se sert lui-même avant l'État. Sur 10 lots, la douane, les travailleurs de douane ont 7, l'État s'en sort euh, avec 3 seulement. Est-ce que vous pensez que c'est c'est vrai, c'est exagéré ou c'est la triste réalité Non, vous pensez, moi je, ne, peux pas quand même dire que le ministre a donné quand même des chiffres, euh, comme on dit, comme ça. Et certainement, il s'est appuyé sur des statistiques réelles. Aussi, ce que je veux que les gens comprennent, en réalité de tout temps, c'est un peu l'ostentation dans le comportement quotidien des agents de douane même qui a fait croire à un moment qu'en réalité, dans le cadre de la mobilisation des ressources internes, c'est la douane qui fait le gros du travail. Mais les gens oublient de l'autre côté la Direction générale des impôts. Même quand vous regardez dans le budget, à travers les objectifs fixés, la DGI, souvent, le budget qu'on lui, qu'on qu'on lui impute, c'est deux fois en termes de mobilisation par rapport à la douane. Mais c'est un peu, si vous voyez, euh, l'art de vie qui fait que les douaniers même, ils se sont mis vraiment dans une situation où ils avaient, comme on dit, tous les yeux regardés vers eux, à travers leur comportement quotidien dans la société. Et souvent, c'est pour ça que euh, la modestie, la sobriété euh, sont aussi quand même des éléments positifs sur lesquels nous devons tous nous appuyer dans le cadre, en tout cas, de, de, nos activités quotidiennes. Notre dernière question, le ministre a promis de restaurer l'autorité de l'État. Est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il pourra le faire Bon, nous, nous allons souhaiter que le ministre puisse avoir les moyens d'action pour euh, instaurer l'autorité de l'État. Parce que, quoi qu'on dise, le ministre, il est politique. Et vous le savez très bien que la plupart des grands pourvoyeurs ou producteurs de richesses sur lesquels l'État s'appuie à travers les impôts et taxes sont aussi politiques. Et donc, si le ministre, en toute honnêteté et objectivité, peut se donner les moyens d'instaurer l'autorité de l'État, c'est pour ça que nous avons parlé de l'équité et de la justice fiscale, il n'y a pas de problème. Parce que vous savez très bien que beaucoup de reproches que même les différents syndicats dans ce secteur là ont eu à faire, c'est par rapport à l'interventionnisme, c'est par rapport à la gestion des marchés publics de l'État, ou ceux qui sont censés contribuer, comme on dit, aux charges publiques à travers les gros revenus euh, qu'ils ont du point de vue des questions politiques. Ces gens-là, on a fermé les yeux sur eux. Maintenant, c'est pour ça que j'ai parlé tantôt que nous osons espérer que c'est une ère nouvelle de grandes visions de développement qui est en train d'animer les autorités pour penser que, quoi qu'on dise, l'affairisme, la corruption ne sont pas quand même des valeurs qui peuvent contribuer au développement harmonieux d'une nation. Parce que dans tous les cas, c'est l'histoire qui retiendra à leur temps ce qu'ils ont pu faire de bien et ce qu'ils ont pu cultiver en termes de mal. Parce que c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que notre association pour le civisme et la croissance œuvre à une éducation civique où ce sont les valeurs fondamentales qui fondent la démocratie et la République que les uns et les autres doivent mettre en avant, y compris le président de la République, sans considération que X est de mon parti et que Y n'est pas de mon parti et qu'en conséquence, il n'a pas le droit de citer. Vous venez de suivre Mouslimi Malam Sita, acteur de la société civile, sur la polémique autour de la nomination des militaires à la tête de, de la douane. Nous terminons avec cet autre aspect de l'actualité, la vidéo accompagnant les paroles de Taï Tauri de l'humoriste Ada peut-elle faire en réalité l'objet d'une interpellation Selon Dr Kabir Hassan, euh, euh, spécialiste en droit des images, la satire fait partie d'une des manifestations de la liberté d'expression et de communication. Je vous propose de le suivre. En tant que donc spécialiste, dites-nous euh, dans un premier temps quelle est la lecture que vous faites euh, euh, de, cette, interpellation, bien sûr à travers la vidéo sur un sujet d'actualité, mais aussi un sujet sensible. Il est de coutume, ou les légions, en tout cas dans la plupart des, des, démocraties, parce que quand on parle du Niger, moi je préfère qu'on parle du contexte démocratique, parce que l'état de droit ou la légalité en tant que telle n'a de sens ou de signification véritable que dans un contexte démocratique. Le Niger, depuis quasiment une bonne vingtaine d'années, disons depuis la conférence nationale, on est de plein pied dans ce processus démocratique. Et qui dit processus démocratique dit reconnaissance de certaines libertés, notamment la liberté d'opinion et même la satire. La satire fait partie d'une des manifestations euh, de la liberté d'expression et de communication. Alors, tout le monde connaît les fameux guignols en France. Tout le monde connaît la touche d'humeur que les humoristes apporte dans la construction d'une démocratie en faisant une satire, comme son nom l'indique, humoristique de la réalité. C'est souvent une façon d'interpeller les dirigeants, euh, les hommes publics, sur certaines choses ou certaines failles, même si souvent euh, il y a une certaine exagération. Mais les humoristes, ils sont là d'abord pour détendre une certaine atmosphère. Donc, dans l'élément audiovisuel que vous m'avez présenté, j'ai vu, j'ai retrouvé le même Ada, l'humoriste d'envergure nationale, hein, tout le monde connaît Ada. Et donc, comme à, l'accoutumée, il fait la satire ou la critique de ceux qui certains euh, disent bas ou haut selon leur, <laughs> euh, opinion politique, parce que toute la question, elle est là. Mais moi, dans l'élément que j'ai entendu, c'est sont, il, il qu'une opinion je n'ai pas lu là-dedans une attaque frontale ou directe sur un homme susceptible d'être interprété comme une, une, euh, une diffamation ou une atteinte. Il parle des hommes publics en général et j'ai vu des éléments défiler, des images défiler, des leaders politiques nigériens et même certains étrangers, j'ai vu notamment la, une, accolade entre Sarkozy et l'ancien euh, chef de l'État, Salou. Donc, en même temps, il rappelle à l'Assemblée nationale aussi son devoir. Donc, c'est vrai c'est dit avec une certaine humeur qui pique aussi, un ton humoristique qui pique aussi selon sa tendance politique. Mais c'est le rôle de l'humoriste. Alors, alors vous pensez que, euh, euh, vu cette vidéo et, comment, selon vous, l'humoriste euh, interpelle, et l'interpellation de, de l'humoriste Ada n'est pas justifiée Je ne dirais pas qu'elle n'est pas justifiée ou pas. Tout dépend de qui l'a interpellée. Parce que toute la question est là. Moi, je n'ai pas vu Ada, donc <laughs> je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai appris comme vous euh, Et en fonction des images que... En fonction des images, par exemple, j'ai vu une ou deux images. Si on colle ces images avec les propos de certaines personnes, je ne serais pas surpris que ce soit elle qui est directement interpellée, Ada, pas le président, parce que l'image où le président passe, les députés ou l'ancien président de l'Assemblée nationale défilent, il y a pratiquement pas de, propos outrageants. Voilà, docteur Kabir Sani, docteur en droit et spécialiste en droit des images, il répond à la question la vidéo accompagnant les paroles de Taï Taouri de l'Imuritada peut-elle faire en réalité l'objet d'une interpellation ainsi prend, ce forum, ainsi prend fin ce forum euh, essentiellement consacré à la polémique sur la nomination des militaires à la tête de la douane. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée.